de bëree ndax ràññee nga leen charrette bi dafa tombé panne tombé panne dafa tombé panne. xam la dama ko man du liggéey de dama dem <laughs> mangi dem hôpital jël sama certificat médical woon dama dama fait Cassez ko liggéey. jaay. ko liggéey jaay déglu ma. la déglu déglu ma la ah ah. eh, eh, eh, bi waaw émergence la. émergence la du Macky Sall si tu fais erreur seulement à Dakar mi ngi jàpp la tëj la. yow maa ngi toog maa ngi toog ak sama. frère Sall du ma bàyyi. xaaral xaaral maa ak sama frère yi dee ci sa. sa kër bi. Macky Sall moom moom moom c'est pas quelqu'un il va pas envoyer lui-même il va venir ici jàpp la tëj juróom benn téeméer ah. Sall du ko nangu. amul sa yaay amul yaay amul yaay amul mbokk mbokk ci déedéet. Mm. nijaay maa ngi dem jël sama certificat médical bàyyi ma mu dem. wa liggéey ma tey non maa ngi dem dem na doguli ci kër ga la tey doguli ça va ça va ça va eh, Alors, ah, je suis fatigué. Mon ventre là, mhm. ça me fait mal. Et puis, ça a des heures où ça tire quoi. Mhm. Il 20 midi, et puis le soir vers 19h, 20h. Ça tire dedans comme ça, ça tire. Et puis, ça ne va pas. Donc, je suis venu vous voir. Est-ce que vous pouvez trouver quelque chose pour calmer ça Et puis, me trouver aussi un repos médical pour prouver que, comme on est dans le wear corps, mhm. pour prouver que, avec cette maladie-là, je ne peux pas faire du corps. Ah Parce que là, c'est compliqué. Un repos médical hein. Un repos médical à la pharmacie. On ne délivre pas un, repos médical. Hein? Et vous, vous, vous, ne faites pas repos médical Non. il faut aller voir le médecin. Médecin hein? Toi, tu es docteur, non Je suis vendeuse en pharmacie. Euh, donc, dans toute pharmacie, il n'y a pas de docteur Si, il y a le docteur. Ah, madame, c'est maintenant que tu as parlé faut dire docteur, il va venir. Je vais essayer quand même avec lui. Juste, il peut vous donner des conseils, mais pas vous délivrer un repos médical. Pas vous délivrer ça. Oui, j'essaie, mais laisse, on essaie tout. Attends, je vais mhm. essayer. D'accord. Hein? Il va ah, C'est lui. Oui, c'est le docteur. Hé, eh, docteur <laughs> C'est le docteur. Oui, c'est le docteur. Hé, eh, docteur. Ça va bien <laughs> Oui, ça va. Ça va, c'est comment Ça va, c'est Yoko Yoko. Yoko, ok, bien. Ça va, monsieur Oui, oui. Ça va, merci. Docteur, j'ai des problèmes de douleur devant. Et, puis c'est le mois de Ramadan. Maintenant, j'étais venu vous voir pour me trouver des calmants et puis me trouver un repos médical. Pour, ne pas, pour montrer que je ne dois pas faire le work core Ouais, je crois qu'elle a bien dit. Hein. Il faut juste euh, un calmant, peut-être pour calmer mon, mon, de Mais pour un repos médical, il faut, il faut, un médecin quand même. Il faut aller voir le médecin. Parce qu'en réalité, celui qui est malade, il ne faut pas gêner. Là, il faut voir le médecin, c'est pas. Il faut aller à l'hôpital, je crois que c'est mieux. D'accord, docteur. C'est bon Ouais, et puis, docteur, je voulais demander quelque chose. Vraiment, il faut me conseiller sur les aliments là quoi. Parce que tu sais dans le gène là, moi quand je coupe là, J'ai mange beaucoup de riz. Hein? C'est vrai, vous avez des mots de et vous mangez beaucoup quoi. Beaucoup de riz. C'est paradoxal. <laughs> dans tous les cas, que ce soit le mois de Ramadan ou pas, mm. le mien, hein, on conseille aux gens de manger moins sucré, mm-hmm. de manger moins gras, mm-hmm. de manger moins salé. Oui, et comme aussi c'est la nourriture, je crois qu'il faut surtout favoriser les protéines. Manger beaucoup de viande blanche si c'est possible. <laughs> Éviter le ah, sucre. Quoi. Docteur, le sucre. Non, ça c'est le problème de moins sucré, moins gras, moins salé. Quelqu'un qui est pauvre, il ne peut pas manger comme ça. Comment ça Maintenant, qu'est-ce que vous préférez ah, vous préférez, hein? ça c'est étape de ceux qui ont un peu d'argent. Maintenant, tu donnes étape de ceux qui n'ont rien. Parce qu'il y a des gens, c'est riz, ils prennent pour manger. Oui, mais même le riz, il ne faut pas en abuser. Ah, ok. en tout cas, même le riz, on ne peut pas dire aux gens de ne pas en manger. Mais la nuit, c'est mieux, quoi, surtout avant de se coucher, c'est mieux qu'on ait le ventre, qu'on ait bien digéré quand Donc peut-être qu'il faut manger un peu tôt. Comme ça, tu te couches vers minuit, là, peut-être tu as digéré. Le matin, tu te lèves un peu tôt. Quand tu prendras ton riz de là, eh eh. tu pourras manger. Tchèi Comment tu l'as lèvé Média, dépense. Hein? Dépense. dépense nga loolu da laa wax. te da nga may defal ni nga doon def rek. nga sutural ma def rek sutural ma. déedéet nee naa la tey lijjantewu jëntiwu ji ma damay dem da wax naa la damay génn ak njuufa wax naa la ko te du wax naa la ko. dimbal ma rek dama koy ko doon ne moom. déedéet ni ma daan def rek defee ko noonu li jënt ko rek nga bàyyi ko si biir kër gi maa ngi génn te ñëw te su ma ñëwee ma fekk ko fi. fan la ko mën a amee. maa ngi génn. ah ah moom la ndax sama kanam bi fi nekk rek li may def lu ma def waaye tey dinaa def baara gi nii dama mën a am lu may lu may def dépense. ah en tout cas docteur je suis content tu es fort mais ce qui a gâté seulement c'est mon repos médical là. ah <laughs> maintenant donc docteur vrai vrai tu peux pas faire. tu vas tu vas à l'hôpital là y a pas de problème comme tu t'es déplacé ici. docteur merci beaucoup. Hein. eh madame merci beaucoup. je vais revenir je vais venir venir prendre complément merci beaucoup. Hein. ok voilà merci beaucoup. ni de beurre bañengale jamilwe yamay wax yow la sama xaliss lan sa mais bima la ko jël bima la ko jël ga la jël la nga ga dama ni nga jox ma sama xaliss la la wax ay ga sa la ni may ni ci yoon bi ko sa la jóge ni soxna si da mo ma sama xaalis soxna si dina la jox soxna soxna si jox soxna si amul li ko doon jënd da ma ne carrément da ma koy jox soxna si même soxna si déglu ma boo xoolu dara sa xol ci wéri koor bi hmm. ndeke ki lan la ngeen nit no wóor ba heure bi ngeen fi nek di waxu ko xaalis kii wala bi ma ko doon jaxaale weer koor bi laa ñaan rek déglu ma déglu ma dam la ko ñaan dam la ko ñaan déglu ma waaye même lan la kii dama amee xaalis. dafa la amee ñaata la la amee. 2000 francs la ma amee 2000 la la amee. waaw am léegi 2000 la ngoog. xaalis baa ngi nii maa ngi koy jël nag maa ngi koy jël nag bëgguma wax de jël xaalis bi amati nag dama lay wax rek ba ma ñëwee ne ma lebal ma xaalis soxna si ba mu yàggati yow laa yoo xam soxna si xaalis waaw jëlal rek bu mu yàggati de waaw jëlal xaalis bi jox nañ la ba pare man su ma sañoon xoolal sa xaalis laa jëmee ma jël xaalis bi xam ne ko lebal nag ko nar a lebal am am yaa ngi may dégg am sama xaalis yaa ma ko war a jox waaw am mais bu ñu ba gis ni gi xaalis bi nga ne ma jëlal jëlal jëlal lu tax ma koy jël. deux milliards la dama ko jël. dama la amee waaw wuy ma ceeb la naa fa ñëw yoon moom mi ngi nii téeméer waa am xanaa di wër fu nekk ki ngeen leb ngeen koy taxawu mel ni lan lay des loolu yëpp ko lijjanti man jëlee nañ la daal appalé ngeen di def yéen amul leen yow tamit bu beneen ñoonati na nga xool bu baax si ñu ngay dugal yow déedéet ñii moom dañoo falaa yem ak yow waaw li ma def xam naa ko xaalis bi mu la jox nii umpale ni moom moo ko ndax ni mu dëgëre ci yoon noonu la dëgëre ci man xaasu dépense la yaa xam nag fooy lijjanti léegi xam nga lan xaasu dépense bu ginnaaw suba la léegi xam nga nag nga lijjanti ko si sutura waa léegi nga jaar kër gi rek dinaa la jox jaaral kër ga ah, rek moom dinaa la jox nim la suturaale dinaa la jox man tey su ma lebee moom damay delloo ah, damay fay de man damay fay doon kii moom nii rek la ni dëbëree dëgg-dëgg ndax ràññee nga lee Libéria Guinée Guinée ça va Ça va Ça va euh, J'étais venu vous voir un peu parce que vraiment c'est compliqué. Mhm, voilà, ma tête me fait mal. Mhm. Mon cœur là, ça bat, mhm. mon ventre me fait mal. Hein? Et puis, ça va pas. donc, je suis venu vous voir pour essayer de voir ce que j'ai et puis, et puis, et puis au moins me, me donner un repos médical quoi. Un repos médical. Euh. Ça, c'est depuis quand ça Le jour où corps a commencé là. Mhm. Ça, le premier jour de Aircore net, ça m'a attrapé. Ah bon Oui. mais pour le repos médical, il faut aller voir un médecin. Et ici encore d'aller voir un médecin Oui, il faut aller voir un médecin, oui. Eh! Ici à la formation, on ne donne pas de repos médical. Il faut voir le médecin, il va vous consulter. C'est à partir de là-bas qu'il euh, va vous donner un repos médical. Mais ici, là, vous ne pouvez rien faire pour moi bon, on, on va voir, on va, on va voir là-bas la machine euh, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. La machine là, ça fait quoi ouais, on, va, non, on va seulement voir l'attention, on va vous faire un bilan pour voir. Ouais. Bah, Warna Non, Warna, ce n'est rien. D'accord.

Et tout, tout, tout, ça, c'est ma maladie. Non, non, c'est pas une c'est un, bilan, quoi. C'est pas une maladie. Ah, ah, ah. parce que là, là j'ai eu peur. Hein. Non, non, ça fait seulement le bilan, pas, ça ne sert pas la maladie, quoi. Le rythme cardiaque. Oui, oui, ça fait un moment, tu, tu, tu. Voilà, voilà c'est ça, le rythme cardiaque. Maintenant, vous allez prendre ça, hmm. vous allez aller voir le, médecin. Hein. Vous allez voir le médecin. Hein. c'est à partir de cela qu'il va encore vous consulter davantage. Et puis, et donner le repos médical. là. Vous <laughs> non, non, non, je suis content. Mais c'est ça, que je voulais. Non, ça va. <laughs> Oh, tout ça, non, c'est la même là. Mais il faut voir le médecin. Hein. faut voir le médecin là. Il faut voir le médecin. <laughs> Merci beaucoup, mon frère. Merci. C'est gentil. Eh non. <laughs> Eh. Heureusement que machine n'a pas trouvé mes fausses maladies là. <laughs>